l'objet de notre rencontre qui est de préparer l'arrivée de la caravane de la convergence globale des luttes pour l'eau, la terre et les semences, qui doit regrouper un certain nombre d'organisations de la CDAO et de l'UEMOA pour rallier Dakar et remettre au président en exercice de la CDAO, qui se trouve être le président de la République du Sénégal, un livre de la convergence. Donc, euh, pour revenir un peu à l'historique, c'est une organisation qui est née des suites du Forum social mondial qui s'est tenu à Dakar et ensuite du Forum social africain et du Forum social mondial qui s'est tenu par la suite en Tunisie. Et à la suite de ces différentes rencontres, un certain nombre d'organisations de la sous-région, donc de la CDAO, compte tenu de l'analyse du contexte euh, qui les a guidés, donc a retenu de mettre en place une organisation dénommée Convergence globale des luttes pour l'eau, la terre et les semences, qui sont des biens communs, donc des ressources naturelles, des biens communs qui régissent la vie de plus de 70% des populations de cette sous-région et qui font l'objet aujourd'hui de beaucoup de convoitises de la part d'organisations de grande envergure et on connaît un certain nombre d'expériences d'accaparement donc des terres, d'utilisation abusive de l'eau et aussi de l'introduction de semences génétiquement modifiées donc qui constitue un risque pour les exploitations familiales et surtout pour les paysans de la sous-région. Donc à partir de ce moment, la convergence a pris l'initiative d'organiser une caravane donc, euh, qui va à partir euh, du Burkina Faso aller au Mali et venir au Sénégal, donc remettre un livre de la convergence à au président en exercice de la CDAO qui se trouve être le président actuel du Sénégal. Donc, euh, et c'est l'objectif qui est visé ici, donc à travers ce livre de la convergence, c'est d'influencer les politiques et les textes législatifs en cours d'élaboration sur le foncier, l'eau et les semences dans l'espace CDAO et UMOA Ensuite, de défendre les intérêts des populations dans le cadre de la souveraineté alimentaire en promouvant l'agroécologie qui s'appuie sur le droit humain à l'alimentation. Donc c'est les deux principaux objectifs euh, qui sont visés de Ouagadougou le 3 mars et passer par le Mali pour entrer au Sénégal le 13 mars par Tambacounda. Donc une fois entrée au Sénégal, elle va entrer au Sénégal par l'Est, Tambacounda, et par le Nord, Rosso, donc pour les organisations du Mali, euh, de la Mauritanie. Donc une fois au Sénégal, la caravane fera une escale à Tamba avec une activité. Ensuite, elle fera une escale à Kaolack pour rallier Djamnado le 16 mars. Donc, et le convoi qui va entrer par euh, Rosso donc, va faire une escale à Rosbecho, ensuite à Meke, et avant de rallier Djamnado le 16. Donc, au niveau du Sénégal, il y a une organisation qui est mise en place. Donc, d'abord, au niveau sous-régional, il y a un comité, euh, euh, comité inter-État d'organisation qui est mis en place et des comités nationaux dans chaque pays. Et au niveau des, pays aussi, donc, il y a des comités locaux. Les comités locaux au Sénégal sont structurés en fonction des escales. Donc il y a un comité local à Tamba, un comité local à Rosbecho, un comité local à Kaolak, un comité local à Meké et un comité local à Djamnyadjo. Donc nous, c'est le comité local de Djamnadio qui est actuellement aujourd'hui en face de vous pour préparer cette étape-là. Donc, qui est constitué d'organisations, de producteurs et d'organisations d'appui au développement à la base, donc de la, euh, de, la zone. Donc, euh, euh, il faut préciser que le comité national, il est le point focal du comité national, c'est le CNCR et ENDA Pronat. Au niveau du comité local, donc il y a Access, il y a Agricole, il y a Wobin, il y a FAPD, il y a la FENAP. Donc, un certain nombre d'organisations qui sont impliquées dans la promotion de l'agroécologie en général et de, de, l'économie solidaire. Donc, euh, et la finalité de cette euh, initiative, c'est de contribuer à l'émergence de la CDAO des peuples. La finalité, c'est ça. La, euh, la CDAO des États existe en, ce moment, mais on se rend compte que la CDAO des peuples reste à construire. Donc ça, c'est une étape pour la construction de cette CDAO des peuples. Et à l'issue de la caravane, donc, il y a une, euh, euh, un atelier international sur la souveraineté alimentaire qui va se tenir à Dakar en clôture donc, de cette activité. Mais au-delà de ça, donc, il est prévu la mise en place d'un réseau inter état des organisations qui ont participé à, cette activité de caravane. Donc voilà un peu campé. Donc euh, brièvement, la problématique qui nous réunit aujourd'hui. Donc l'étape de Djamnaïo, je le rappelle, ce sera le 16, le 16 mars. Donc euh, dans la journée, la matinée, il est prévu le 16 mars. Donc l'arrivée des caravaniers à 10h30. Ensuite, il y aura euh, euh, un forum donc, de présentation de témoignages suivant les préoccupations des, particuliers, des particulières des, différentes zones, donc surtout les organisations euh, du comité local de Djamnadio, mais aussi des témoignages des caravaniers qui sont venus d'autres pays frères. Ensuite, euh, la caravane va s'ébranler vers Dakar et pour euh, enfin organiser le, 17, le 18 la remise du livre, du livre de la convergence au président de la République, euh, euh, son Excellence M. Macky Sall, qui est le président en exercice donc, euh, de la CDAO. que wa wax ci turu keur ndax yalla dafa até en 89 sama njang dafa ma ñibi ma à Dakar ñibi man sama formation.

di wacc une heure di gontu di wacc pendant six ans sama tool machallah ma am ca teraanga chaque année dina gagné ca jamono booba moyen moyen un million cinq deux millions mais lu dem ci ñett ñeenti at ba juróomi at ndox mi day wàcc di wàcc di wàcc ba fi mu ne ñaari teen yama fa gasson mu ngi ci 11 mètres 50 12 mètres amatul ndox légui màng jañu doon am fo daan amé une tonne mënatoo fa am 400 kg production bi wacc na mango yi sax légui dañuy dé légui nak comme mango yi dañuy dé ñun ci suñu biir ñun baykat ñu ni dañoo yaakaar ni tool yi li ñu ci def ci ay taate mango moo bari ñu ni kon léegi nañu dagg garabi mango yi bi ñu daggee garab yi mango yet ba tey solution bi amul ndaxte bu tóor tóoree tóor tóor yi dañuy ruus léegi nag yàlla mi dara teewul ma demoon ci benn atelier ñu xamal ma ni ma usine yi nga xamante ni bii moo nekk ci zone boobu li ñuy pompe ci naab bi moo bari te bu ngeen ci waxul ndox mi nga xamante ni bii ci la garab yi doon naan bu wàccee ba wàcc am na ndox bi ko gën a féete suuf ndox boobu dafa sax xorom ca ndox boobu nag malheureusement bu jógee waxuñu sax garab yi mais maraîchage bi sax dootuñu ko mën a am te ñun loolu mooy suñu dara maa ngi du Moussa Fall bàyyeeku département Thiès arrondissement Ndoundou dëkk bi ak Kër ma daal eh, maanaam dañoo defoon benn étude mu jëm ci wàllu jafe-jafe ndox mi ci diwaanu Thiès gannaaw bu ñu séetloo ci implantation usine Dangote ci zone Kër Moussa. danaka parce que ci ñoom ci biir usine bi ñoom dañoo gas ci biir usine bi juróomi forage juróomi forage yoo xamante ni par bis dina pomper ci nappe bi 4500 mille cinq cent mètres cubes jour chaque jour y a 4500 mille cinq cent mètres cubes léegi boo ko xayma fekk fukki at fee fee fukki at wala fekk ñaar fukki at day dem ba finalement day dem ba finalement nappe bi nga xamante ni. Si le béykat yi yaakaar ci le jur gi yaakaar day dem ba finalement bi di commencé baissé ñu yàlla defoon ñu def étude ak euh, waaw étude ak ay cabinet d'expertise étude de la consommation en eau de la cimenterie de poudre réalisée par monsieur Emile expert en énergie analyse critique des impacts qualitatifs et qualitatifs des prélèvements en eau de la nouvelle cimenterie de poudre sur les ressources en eau souterraine réalisée par le docteur Cheikh Amidou expert hydrogéologique, professeur à l'UFR Sciences, l'ingénieur de l'Université de Thiès. Benel analyse de conformité de la procédure et examen du rapport d'évaluation environnementale du projet de cimenterie d'Angot à réalisé par le professeur Ibrahim Diaw, ingénieur environnementaliste, cabinet Harmonie. Gana, vous avez fait impact yi dafa feeñal ñu ànd ak TV TV5 Afrique TV5 Afrique France 24 journal Le Monde def benn reportage dem bi ci maraîcher ci seen tool kenn ku ne waxal boppam ne leen ah wax dëgg yàlla depuis usine bi tàmbale ba léegi ak système de pompage bi ñu gis ñun de suñu niveau d'eau bi day gën a baissé su ma doon béy ñaari hectare damay mujj obligé di réduire la surface culturale donc déjà l'usine a commencé à créer un impact négatif dans la zone. Parce que dans la dynamique de création des emplois, il y a ce qu'on appelle les agriculteurs qui vivent que de leur agriculture commencent à réduire le surface culturel Dans l'avenir, il y aura ce qu'on appelle une remontée de la nappe salée. Cette remontée salée va impacter davantage les produits Ils sont obligés maintenant d'abandonner la culture du maraîcher dans la zone pour s'adonner à d'autres activités. Historiquement, bien dafa ñëw en Afrique liggéey nangu sunu suuf jaamlo jaamloo sunuy sunuy maam implanter une culture boo xam ne ñun euh, à la longue ñun dañuy toppatu euh, di di di woyal loolu mooy lan ñu ñëw indi les engrais chimiques que les ancêtres ne connaissaient pas ñu dem ba sensibiliser les, convaincre leen les effets positifs de l'engrais ñu topp ci Légui, ñu la par exemple au Sénégal c'est la culture arachidière gerte soo koy béy da ngay dagg àll c'était tout juste pour euh, euh, un passage aux vents violents qui vont apporter toute matière organique léegi nag amatuñu garab amatuñu lenn les gis nañ ne ils avaient un objectif c'était c'était pour s'enrichir et repartir dans leur pays Defunaiko, nañ Legi, am nañu léegi bay nañu ak suñu garab ah tawutul dem nañu léegi ñu indil suñu suñu jiw et seen jiw ba tey ñu di ko topp en quelques jours Legi, tu as récolté ñu top ci léegi

jéem ko koo di multiplier ba am yu bari parce que le problème moy aussi il faut sensibiliser le producteur man damay béy tey ma par exemple euh, euh, bay ngay ma am ko au lieu que légui man ma xalaat ne man dina def dina am jiw la lay def ma dem jaay yëpp sur le marché parce que là aussi euh, le producteur il faut le sensibiliser mu jaay lépp deux mois après mu delu sur le marché di jëndi di jënd lu muy lekk waa léegi semence legui euh, semence boobu bi mu amone su ko dencoon la saison prochaine amoon 1 kilo la saison prochaine su ko jiyee mu am 2 kilo mais léegi lo amatul so ñewé ci sama gox fu mel ni mu Moussa jëm jas jëm jandeer tay bo xolé Sénégal fofu luñ ko bëgg indi gën ko fa développer mais développement de xamni tay dana am efficacité peut-être dana am rapidité ci ay construction dana am ay embellissement mais est-ce que après y ay pertinence parce que li ngay indi ci ay gox déplacer population gox bobu ñu doon Bay nek en contact direct avec la nature seeni soxla yeb ñu koy ci nature nga déplacer len duggal len ci ay bâtiment ay logement entre quatre murs structure de village bobu terroir bobu tasna yakuna relation yi ku nek yaa ngi sa biir kër yow kessé kenn xamul lu sa morom di dunde interrelation bobu am ci digënté mbokk yi tasna tol bi nga doon déplacé wu pour bay fa amatoo ko léegi ay service rek lañ la il y a que des services mom lañ la indil dinañ la indil courant indil la ndox Google dans un logement par force de nga de télévision. parce que sax ne nek ay charge ngay nek. c'est-à-dire un état de consommation rek ngay nek. dootoo produire tu ne produis pas pour la nature la nature ne produit pas pour yow donc l'ordre dañ koy ki donc loolu mi ngi dem ba atteindre say jikko. africains aujourd'hui, c'est une référence suñuy jikko suñu lépp dañ ko transporter yóbbuñu Europe indi Europe teg ko fi. te difficulté tant que résoudre ko du émergence